Maintenant. Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Mabsosez-nous la bienvenue dans Discussion Nouyo, saison 2, épisode 6. Merci un pile pour tout petit message yo, toute, petite atten tout, toute attention au gagnant pour nous. Bien content, notez bien aimé cette discussion ça yo. Et jeudi, à, ah, nous gagnons un nouvel invité. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de toi Alors, euh, bonjour à tous, euh, bonjour, merci de m'avoir euh, invité et permis de, de faire euh, cette interview exclusive. Voilà. Euh, bon, rapidement, euh, je suis une jeune femme récemment maman et j'habite en Ile-de-France. voilà. et sinon, j'aime voyager, j'aime, j'ai, voyager voyagé dans beaucoup de pays, que ce soit pour le travail, mais aussi parce que je suis quelqu'un de très ouverte. Et, euh, et euh, je, voilà. Et donc, euh, c'est dans ce cadre aussi, parce que euh, on fait partie de la famille, mais euh, c'est dans ce cadre que euh, je suis très intéressée à participer à ce projet. Oui, parce qu'effectivement, on a, on a un petit lien de parenté, voilà, <laughs> pour, <laughs> pour confirmer. Et effectivement, moi, je voulais t'inviter, c'est parce que moi, à plusieurs reprises, bah, tu m'as assez étonnée et, euh, et, de façon très positive. Notamment, euh, je me rappelle, c'était pour des euh, pour des proverbes à mimer ou des, euh, des, des, comptines, le fait que tu adhères comme ça. Euh, moi, je, ouais, c'est celle dont que j'ai en tête, c'est la, la, comptine encouragée que tu voulais justement chanter à, à, ton enfant, à ta fille. Pourquoi Enfin, pourquoi en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il bah, qu y a derrière tout ça Je trouve que, alors, euh, je trouve bah, déjà cette Fantine euh, en tant que telle, je trouve que le message est très beau. Euh, derrière, euh, c'est vraiment un message euh, d'encouragement, euh, de non-jugement. euh voilà, on peut tous tomber, faire des erreurs, mais, euh mais c'est le rôle des parents aussi de, d'avoir aussi une pensée positive pour leur enfant et, et de leur montrer non pas leurs échecs, mais ce qu'ils peuvent faire. Voilà, tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que euh, je pense que en plus, euh, les difficultés font partie, euh, c'est une épreuve de la vie en fait. Mais c'est pas une fin en soi. Ça nous permet de grandir et d'aller et d'aller plus loin. Et euh, moi, en tant que maman, euh, c'est vrai que euh, ça me tient à cœur de montrer à ma fille, parce que j'ai une petite fille d'un an, que bah, mm. tout est possible Vraiment, il ne faut pas qu'elle se mette de limite tout est possible. Et même si euh, à court terme, elles ne voit pas euh, que c'est possible euh, réellement euh, dans le fruit euh, de sa vie quotidienne, euh, qu'elle garde espoir et que par le travail, et si elle y croit il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et sinon, enfin je trouve aussi que c'est important de, de transmettre Euh, à ses enfants, en fait, euh, euh, ses origines, de, voilà, d'être, que elle, elle sache que eh ben, elle a une famille ailleurs, qu'elle a une culture aussi à part, et que euh, elle est euh, le fruit de plusieurs mélanges, et que mm -hmm. c'est ça qui euh, ouais. sa différence sa, et sa beauté. Ah ouais. Ok, bon bah très bien. Je, bah, merci pour tout ça. du coup, je Ça veut dire que tous les jours, tu lui chantes au moins euh, la petite chanson, quoi, c'est ça Ah non, j'ai pas dit ça. <laughs> <laughs> non, mais par contre, euh, je, je, pense une fois, euh, enfin, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, tu étais, étais venue à la maison, euh, je sais pas quoi, et tu lui avais chanté. Ouais. Parce qu'en fait, la première fois que tu lui avais chanté, elle était toute petite, mm -hmm. elle était bébé, et, tu vois, avec ses grands yeux, elle regardait, elle écoutait et tout ouais. Et, euh, et, euh, je crois que la dernière fois, quand tu es revenue, tu as rechanté. Mm -hmm. Et elle était euh, tout aussi émerveillée. Donc, euh, oh. je pense que c'est passé dans un coin de sa tête. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, euh, notamment lui passer des chansons aussi en créole, parce qu'en mm -hmm. plus, elle aime, elle aime, beaucoup chanter. Parfois, tu l'entends, elle fredonne. Ouais, c'est pas parler. Hein. <laughs> ouais, mais elle a une petite voix, elle est là. Quand voilà, même. Euh, voilà, on entend. <laughs> Avec des ta ta ta ta comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est le, le, début, tu vois. Mm. Et, euh, et, du coup, si euh, dès l'enfance, euh, elle, euh, elle commence à entendre euh, bah, voilà, des chansons qui viennent d'ailleurs, même aussi par rapport à la langue, c'est important. Ouais. de créole. Mmh. Et eh ben, euh, ça va lui permettre d'avoir plus de facilité après, pourquoi pas, euh, pour euh, pratiquer. Et, euh, voilà, et découvrir aussi euh, ses origines. Ouais, parce qu'effectivement, le fait que, comme tu dis, là, moi, j'avais pas forcément remarqué, mais si toi tu aussi tu l'as vu que qu'elle a, qu'elle a capté en fait le créole, qu'elle a capté la petite chanson et que ça lui a parlé, que ça restait un peu dans un coin de sa tête. Effectivement, le, la musique comme ça, ça, ça, cette vertu et euh, son, son, efficacité aussi. Quoi. Du coup, euh, c'est vrai qu'on avait discuté aussi plusieurs fois et euh, que tu me parlais de, de quelquefois des, euh, des chansons que tu voulais avoir, que, même de des textes que tu voulais aussi avoir, pour, euh, enfin des livres que tu voulais avoir euh, pour ta fille. Moi, je me suis dit qu'effectivement, ouais, c'est quelque, moi, c'est quelque chose que, que j'avais beaucoup cherché et, et qui m'a intéressée aussi. Du coup, je sais pas si tu as vu que j'ai fait l'effort. J'essaye de commencer euh, une, euh, une, petite playlist euh, YouTube que tu pourras ah, passer. Ah, oui, attends, bah non, alors je sais pas, je suis tombée sur quelque chose en, en préparant un petit peu. <laughs> ouais. <laughs> bon, pour rappeler, c'est que sur le, c'est qu'effectivement, il y a un SoundCloud, il y a quelques chansons, il y a ouais, toutes C'est ça. Et ben voilà. Et en fait, quand je les ai écoutées et tout, au début, je me suis dit, bah, de toute façon, je ne les connais pas. Et, et en fait, euh, j'en ai écouté peut-être euh, deux, trois, tu vois, et mm -hmm. en mhm. fait, je les connaissais. Donc, euh, je les connaissais <laughs> parce que j'ai dû les entendre quand j'étais petite. Enfin, ça m'a rappelé euh, bah, un souvenir, parce que je ne me souvenais pas dans quel cadre exactement, mais ouais. Euh, j'avais un, un, sentiment de déjà-vu, quoi, mm -hmm. enfin, de déjà entendu, on va dire. Donc, euh, comme quoi, ça reste, ça m'a rappelé ouais. mon enfance. Et, euh, et, je me suis dit, mais ça c'est top, tu vois, euh, si euh, j'avais un petit CD, alors, enfin un CD, je, alors y a, plus les CD. <laughs> Euh, mais, non, ça ne fait plus les CD. Maintenant on fait des podcasts, madame, on fait des podcasts. <laughs> Ouais, les, ouais, un podcast euh, téléchargé euh, ouais, sur, mon, sur, mon, ordi euh, et que je passais régulièrement des petites euh, chansons à, à ma fille. Je pense que ce serait. Ça, ce serait il y a des podcasts, euh, il y a des chaînes YouTube, il, y a, il y a le SoundCloud. Voilà, tu sais, c'est ça maintenant, c'est l'avenir, tu vois. Et les QR codes qui te renvoient vers euh, SoundCloud, voilà, c'est ça. te Les CD, c'est fini, madame, c'est fini. C'est fini, il faut être connecté. Avec ton téléphone, tu as accès à tout. Ta tablette, euh, tu as accès à tout. Et au pire, tu peux faire aussi, enfin, au pire, pas au pire, mais tu peux également faire des enregistrements aussi, euh, des enregistrements, euh, enregistrements vocaux, hein. Et après, tu peux les repasser, euh, tu fais une playlist sur ton téléphone, quoi. Désolée. Euh, une aussi belle voix que toi, donc euh, tu vois. Ah, tant, oh là là, tant de compliments. la chanson. Il ah faut, là là. Euh, il faut un petit peu de talent parce que sinon, tu vois, c'est le massacre. la mauvaise foi. Ah, la mauvaise foi, mon dieu, <laughs> c'est chaud. Euh, acheter Figim là. Gagne 60 ça va acheter Figim. C'est H, acheter Figim. Tu vois, c'est sorti, tu vois, je dis, ah, je vais, eh, eh, c'est vrai. Eh, tu vois, c'est ça, c'est pas pareil. ouais, d'accord, d'accord. Non, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que euh, t'es, euh, ce... les discussions qu'on a pu avoir et, euh, et puis bah, du coup, les besoins que tu as, enfin, les besoins, enfin, pas forcément, pas, pas, exactement les besoins, mais ce que tu as pu voir pour toi et ce dont tu as envie, même, c'est des trucs que j'aime bien. Du coup, euh, c'est pour ça aussi que je les ai fait, en fait, que j'ai essayé de les, euh, que j'ai essayé de les, euh, de les développer et de les partager sur les sets de table, j'ai mis les, euh, j'ai mis les petites, euh, j'ai mis les chansons, Et il y a aussi, du coup, les QR codes qui renvoient euh, au SoundCloud, quoi. Donc, euh, parce que c'est vrai que c'est pour les partager, c'est bien d'avoir un, un, support facile et euh, qui soit souple, effectivement, à, à utiliser et, et, à pouvoir mettre en œuvre, quoi. Mm. Donc, euh, ouais. ça pour dire qu'effectivement, depuis, euh, du coup, depuis Pâques 2013, euh, donc, tu es victime des après-midi culturels. <laughs> donc, c'est bien, c'est l'occasion aussi de se retrouver en famille, Puis, euh, ben, c'est, ça rappelle, euh, tu sais, euh, c'est pas évident quand t'es, euh, enfin, fille d'immigrés, on va dire, hein, mm-hmm. parce que euh, t'as un désir d'assimilation aussi par rapport euh, au pays dans lequel t'arrives. Mm-hmm. Donc, au début, quand t'es petit, tu vois, t'es en plein construction aussi, hein, donc forcément, tu as plus tendance à vouloir ressembler aux autres pour te faire intégrer. Et, euh, mais tu as aussi euh, ta culture et, et, les autres aussi qui, qui te renvoient à. à bah, qui tu es, quoi. Ouais, mais après, les, euh, les, autres nous renvoient à qui on est exactement, effectivement. Ouais. ouais. Bah ouais parce que eux, euh, par exemple, ils vont, euh, s'ils sont bretons, par exemple, ils vont aller euh, en Bretagne euh, tous les étés, ou euh, tu vois, ils vont, ils vont être fiers d'être bretons, ils vont être fiers d'être. Et, euh, et, toi, si à côté, eh ben, t'es complexé ou t'as du mal à, enfin, à t'accepter, bah, ça peut être compliqué. Tu vois. Et mm -hmm. donc, c'est bien aussi de, de ces après-midi culturels parce que, au-delà de. Enfin, nous, on est. Et je pense pour les enfants, c'est les elle qui a accepté. Oh là là, je t'entends Tu vois Et euh, aussi, ça fait du bien, c'est des moments ludiques, euh, enfin, euh, c'est un moment en, en famille, quoi. Ouais. Tu vois, mais euh, ils découvrent un peu plus euh bah, cette origine lointaine qu'ils ne connaissent pas forcément, euh mais de manière positive. Mm -hmm. Et, euh, bah, bah, euh, face à un ami qui vient, je sais pas, qui est immigré, qui vient du Maroc par exemple, qui va tous les deux ans au Maroc, Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence par rapport à un ami qui va au Maroc euh, tous les deux ans, par exemple, et euh, qui euh, peut parler de son pays, bah, ouais. Euh, ces petits-là, bah, grâce à ces après-midi, ils pourront aussi parler euh, de Haïti. Oui, dans le sens de partager, en fait. Vraiment de pouvoir partager voilà. aussi des anecdotes, euh, voilà. des, des, choses qu'on connaît, et, et pouvoir, bah, du coup, même bah, se, se, faire grandir les uns les autres. Ouais. <laughs> Ah ouais, bah, Donc, je, euh, franchement, je suis, euh, je suis vraiment, euh, enfin, je suis contente vraiment que tu le vois comme ça également, et, euh, et même, c'était, enfin, même là, c'est aussi pour ça que je voulais euh, qu'on discute aussi ensemble, c'est parce que euh, moi, j'ai des souvenirs comme ça où je te vois arriver dans les après-midi culturels et, et, puis adhérer tout de suite, tu vois. Rien que la première, je te revois des photos de la première après-midi culturelle où bah, tu pour les, où étais motivée pour les mimes sur les proverbes et où je t'ai donné à fond, tout ça. Et puis euh, d'autres fois où justement, bah, quand on a fait des autres après-midi culturels, où bah, bah, t'es arrivé un peu, un peu après parce que t'avais d'autres choses à faire avant, t'es arrivé et puis euh, c'était le moment des mimes et puis euh, t'as dit « Oh, trop bien les mimes oh trop, oh, trop bien les mimes avec les proverbes Oh, trop bien !» Et je rappelle de ça, j'avais kiffé quoi. Parce que euh, j'ai vu le sourire sur ton visage et puis vraiment motivé et, euh, et puis t'y allais euh, tout de suite quoi. Vraiment, du côté tu t'es approprié le jeu. Et pour moi, c'est un truc assez

T'as pas tort, t'as pas, t'as pas, t'as pas tort sur un point. Mais après, ce que j'aime bien avec toi, c'est justement ça, c'est que t'essayes en fait. Non, mais ce, que, ce qui est important, ce qui est important, c'est que t'essayes, tu vois. T'essayes et, euh, et puis après, ça fait avancer tout le monde. C'est ça qui est plus important et c'est, et c'est ce que je vois. Et même, t'es motivé, tu, tu, vois, tu te décourages pas. Et puis, ça te fait avancer aussi, et les choses que tu retiens aussi. Euh, voilà quoi. c'est ça qui, euh, qui, que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup et qui, me, qui, et vraiment qui me motive aussi, en fait. Vraiment qui me motive en disant, ah ouais, si, ah, ça, elle va kiffer, allez, on va essayer, tu vois. Et ça, il y a ça aussi, quoi. Euh, et, euh, Après, ouais, moi, puis. énormément de temps, enfin, tu vois, et euh, ça se voit que ça te fait plaisir d'organiser euh, ces, euh, ces, réunions, euh, tu vois, enfin, et nous, ça nous fait plaisir de te faire plaisir en vrai. Hein. <laughs> Euh, ah, c'est juste pour moi Oh bah ok, il <laughs> n'y a pas de problème. <laughs> Il y euh, tu vois, t'es tellement enthousiaste, tellement contente que bon, allez, et puis tu vois, une fois que t'es dedans, mais, mais en vrai, je pense que, moi, personnellement, je trouve que je prends pas assez le temps on va mm -hmm. dire. de euh, vraiment découvrir, de vraiment d'aller vraiment à la recherche euh, de, euh, enfin d'où je viens. tu vois, par exemple, enfin, ça fait pas long, enfin, ça fait pas longtemps que tu t'es vraiment mise au créole. Non, ouais, moi ça fait bah, depuis 2013, depuis 2013. Sinon, avant, effectivement, moi j'étais, moi j'étais à fond sur les States, sur euh, moi, tout le temps je vais en Angleterre, euh, voilà quoi. Bah oui, et j'y vais encore en Angleterre. Mais moi c'est que depuis 2013. Enfin, t'étais comme moi, euh, tu comprenais, parce que on a, parce que nos parents, dès qu'ils, à la maison, ils parlaient créole, tu vois, mm. donc on comprend. Mais. Euh, enfin, ils parlaient créole, mais avec les, avec, enfin, entre elles, quoi. Oui, en très... non, mais même avec nous. Enfin, euh... Euh, ma, mère, euh, enfin, euh, voilà. Pas des, ma... pas des masques Après, moi, je les entendais, mais pas des masques quoi. Enfin, mais bon. Après, moi, ça, c'est encore autre chose. Ma mère, déjà, elle est pas très à l'aise. Elle était pas très... Ça va un peu mieux maintenant, tu vois, mais elle était pas très à l'aise avec le français, tu vois. C'est vraiment la langue qu'elle sortait euh, quand il y avait du monde mm-hmm. ou mhm. euh, dehors, tu vois. Mais elle était beaucoup plus à l'aise avec le créole parce que aussi, elle était arrivée après, hein. Oui. et du coup, enfin c'est comme à la maison, même si euh, parfois elle me parlait créole, surtout quand elle était énervée d'ailleurs. Euh... que je, en plus, c'est ce que je me disais. Je me disais, ah, mais ça, c'est, elle te parlait créole parce qu'elle était juste énervée avec toi tout le temps, quoi. Tout le temps, tu énervée en fait. ah ouais, en fait, euh, bah, moi, je, je, lui répondais en français, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est comme si euh, bah, j'étais pas forcément. Ouais, comme beaucoup, hein.

Parce que moi, je fais pas ça tout le temps, tu vois. Effectivement, je, moi, après, les trucs que j'aime bien, les trucs les facilités, euh, les petits supports que je prépare, c'est des trucs que je fais assez facilement et qui sont très simples. Et après, euh, et en plus, et vraiment, quand on voit mes supports, ils sont moches, tu vois. <laughs> ils sont super moches. Et c'est pas des trucs hyper jolis. Je fais ce, je fais, euh, ce que je suis, je suis capable de faire, simplement, et que j'arrive à partager, tu vois. C'est vraiment ça. Après, oui, euh, il euh, y a des recherches que j'ai faites, mais c'est comme quand on regarde des trucs sur Internet, quoi que ce soit. C'est le côté loisir, oisif, Et, euh, et voilà. Et après, euh, c'est comme tout, même. Euh, enfin, moi, franchement, je parle, beaucoup, je parle beaucoup mieux anglais que je ne parle créole parce que je regarde beaucoup de films en VO, euh, en anglais, quoi. Tu vois Donc, c'est ça. Après, il y a, y, a, y a, un travail, c'est vrai, mais il n'est pas non plus insurmontable grâce à ça, pour ce côté oisif et puis euh, accessible aussi, quoi. Oui, oui, non, je pense que c'est pas insurmontable, mais je pense que pour. Euh, comment dire Mais oui, après, il y a quand même une rigueur à avoir pour essayer de progresser. Ouais, je pense que tu vois, par exemple, euh, pour euh, et ma, ma, fille, mm -hmm. euh, si je te demandais des conseils de livres euh, en créole et tout ça, tu m'envoyais des sites, il faut que je commande quelques livres et tout, mais ouais. si des petits... Ah d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, tu as, as, un compte chanté, si tu veux, qui s'appelle Histoire Tizo Actilona, que tu peux partager avec elle. C'est très court, c'est en créole, il y a des chansons, il y a des devinettes. on parcourt Haïti. Donc, tu pourras même utiliser les sets de table avec. Euh... en plus, tu sais, tu sais, tu peux le trouver sur voyageonlocal.blogspot.com. <laughs> euh, dès le début, euh, tu vois, au-delà de juste entendre sa mamie parler créole ou, ou sa tata. ah bah elle, elle a pas le choix. Hein. Là, vu dans quelle famille elle est née, euh, elle a pas le choix. Hein. Sa tata, elle va l'entendre parler créole. Hein. si ta mère, tu vois, moi, je l'encourage à, à, parler tout ça dès petite. Mm -hmm. Tu vois, un peu comme euh, tu fais avec euh, bah, tes... Bah, elle, ouais, avec mes neveux. Mes, neveux, voilà. mes neveux ma nièce, ah, et même aussi avec les petites cousines, ah, quoi. Oui. la langue, elle sera beaucoup plus à l'aise euh, mmh. rapidement, bah, tu vois. T'as vu les petites Enfin, ça, dimanche, t'as vu, les, as vu les petites euh, Comment elles comment elle, euh, comment elle lisait mmh. Enfin, le côté motivé, franchement, moi, ça fait tellement plaisir. C'est euh, le côté motivé, elles n'ont pas peur, elles essayent, euh, ah elles essayent autant les chansons que de lire vraiment un texte. Les textes en plus qui sont, peuvent être assez longs, quoi. Et euh, ouais, ouais, non, c'est euh, vrai, effectivement, de pouvoir avoir une atmosphère comme ça euh, qui soit bienveillante, C'est ça. Euh, c'est super important. Parce qu'en fait, je pense que tu vois, euh, enfin, euh, après, c'est, on va pas refaire le monde, hein, mais euh, <laughs> euh, moi, je pense que nos parents, quand elles sont arrivées, euh, elles voulaient, bah, elles avaient d'autres priorités. Hein, elles, elles, devaient s'en sortir, elles voulaient qu'on s'intègre, elles pensaient aux, aux, études, à nos études et tout ça. Et elles nous ont pas forcément encouragées à, à conserver, à, à, garder, à mettre en pratique la culture. oui parce que, bah, après, en même temps, ce, ce sont aussi les supports. les supports, quels sont les supports euh, Parce que. Non, mais même ne serait-ce que la langue, tu vois, elle pourrait dire, euh, enfin, euh, à la maison, euh, enfin, voilà, on parle. Ouais, mais franchement, euh, enfin. Bon, S moi, sans, sans mentir, hein, mais je pense que, enfin, comme beaucoup aussi, on se serait moqué, tu vois. Beaucoup, on, on se serait moqué ou on aurait rigolé. On n'est pas même dans l'ambiance dans laquelle, enfin, Euh... Oui, c'est ça, mais du coup, c'est l'environnement, comme tu dis. Euh, ouais. Un, il faut un environnement positif et euh, aussi un encouragement. Euh, l'encouragement de la famille ou des parents, ça, ça peut aider. Oui, ça aide, ouais. c'est clair que ça aide. Oui, c'est clair que ça, ça, aide, ça aide. Et puis ensuite, c'est, ouais, ce sont les occasions, les supports, euh, voilà. Et puis après, est jamais, il n'est jamais trop tard, quoi. Et bon, oui, oui, comme tu l'as dit, on ne va pas refaire le monde. Et là, je suis désolée, mais il va falloir qu'on passe à la suite. Du coup, est-ce que tu pourrais, enfin, si ça te dérange pas, bien sûr. <laughs> non, on fera, un on fera une deuxième session, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aurais des bons plans à partager euh, Bons plans, donc ça peut être euh, des adresses, des événements, des épiceries en ligne euh, et autres. Euh, te... Bah moi, je pensais à un restaurant. Alors, pour ceux qui sont dans le 78, euh, c'est un restaurant qui est à Poissy. Bon, j'avoue, c'est un ami de la famille. Hein, mais, euh, on, voilà, tous... ouais, on, est une grande famille. Ah. On est une grande famille, c'est très bien. Ouais. <laughs> C'est ça. La Cave Créole, c'est un restaurant euh, antillais, mais euh, c'est un haïtien en fait qui, qui dirige euh, le restaurant et donc euh, il fait aussi des, euh, des plats haïtiens et, euh, et c'est toujours très bon et le service est, est, de qualité. Voilà. Il y a aussi de l'ambiance, non, chez eux Ok. Ouais, parce que je crois, enfin, je crois en tout cas que j'avais déjà entendu parler de concerts ou de peut de soirée contes Pas, pas tout le temps, c'est pas régulier, il y a une... mais euh, je crois que c'est déjà arrivé. C'est pour ça. ah Voilà, non, mais c'est. Voilà, donc APP. Et je pense aussi que, en fait, euh, parfois, on veut faire aussi découvrir, par exemple, euh, moi j'ai plein d'amis qui viennent de, de, partout, tu vois, mm -hmm. et on va aller facilement au chinois, on va se faire facilement aller à l'indien et tout ça. Ouais. Et par contre, on a envie d'aller découvrir autre chose aussi, tu vois. Mm -hmm. Mais que, enfin, si tu l'emmènes dans un restaurant haïtien et que il est mal tenu et voilà. Euh, ça peut arriver, ça peut arriver. Et du coup, pour toi, j'ai une nouvelle application. donc euh, voilà. <laughs> non, non, mais après c'est que justement, merci pour l'adresse là pour la pour la caisse créole. Non, excuse-moi, j'ai plus le nom euh, du restaurant ah, dans le 78. Allô, est-ce que tu es toujours là? Ouais, le restaurant le 78, le nom, est-ce que tu peux le répéter une dernière fois C'est la case créole. Ouais, c'est bien ça, la case créole. Et du coup, euh, il euh, y a une application qui est sortie qui vient d'Haïti. C'est pour repérer tous les restaurants haïtiens dans le monde. Ça peut être donc, enfin, ils ont commencé d'abord par Haïti et par euh, le Canada, les États-Unis. Mais il y a plusieurs restos qui se sont euh, référencés, des restaurants en France, en région parisienne. Mm-hmm. Du coup, euh, il y a notamment, bah, il y a Kai Fritai qui s'est référencé. Euh, donc, euh, il a un food truck et dans lequel on peut, on peut aussi manger sur place du côté de Bagnolet. Mais il y a mm-hmm. aussi euh, d'autres restaurants. Euh, dans, dans, y en a dans, y en a à Saint-Denis. y en a, enfin, il y en a, bon, il y en a plein dans 93. Moi, je me trompais. C'est pas la casse créole, c'est la case d'épices. La case d'épices. <laughs> D'accord, la case d'épices. De toute manière, on mettra en lien, euh, on mettra en lien les, les informations. Enfin, dans la description, on mettra les informations les informations exactes. Donc la case d'épices, la case d'épices. Parce que je me disais, ouais, la case créole, euh, c'est plutôt à Paris et euh, c'est, euh, c'est plutôt de la Guadeloupe et de la Martinique, je crois. Mais ouais, donc la case d'épices. La case d'épices en 78. Ok. Bon, maintenant c'est le moment du défi de John John. Donc on va faire rouler le dodécaèdre. Donc un dodécaèdre, un dé à 12 faces, sur lequel il y a plusieurs défis. Un défi euh, du coup sur euh, la lecture d'un texte du recueil Voyage local. Euh, soit une devinette, soit un, des proverbes à me donner, un proverbe que tu aimes bien, soit de me chanter une comptine. Donc, m'a fait dodécaèdre la roulée. Ah, hum, donc, nous avons des Ah, c'est la lecture. T'es tombé sur la lecture. Faut me lire un texte du, du recueil en voyageant local, s'il te plaît. Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Hop, du coup, ouais, c'est la lecture. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage du recueil de poèmes, du coup, Voyageons local, s'il te plaît Alors, euh, oui, j'ai un poème que, que j'aime bien, justement, ça tombe bien. <laughs> euh, donc, c'est Lavini Béni. Ouais. Voilà. Euh, alors, je peux te dire, ça doit être la page 8 du recueil. Ouais, j'ai pas. Donc, voilà. Euh, créole Palais, Créole ensemble. Vini Essayé, Nabvini Pifo ensemble. Pajam Sipam Prankesi, Pajam Sipan Palais Mandaki, Pajam Sipan Rêvé Gélouvri, Pajam Sipan Prémain la vie, Pajam Sipan Apprendre Épili, Pajam Sipan Routé Épini, Pajon Chipan chantait, dansait, ton couillon cabré. Ah, ok, d'accord. Petit passage, merci. Euh, c'est quoi un cabri, Qui ça qu'on cabrite, Qui ça qu'on cabrit, ma chère Ah, c'est bon le cabri. du <laughs> grillon avec. <laughs> c'est vrai. Ouais, j'aime bien ce poème parce que bon, c'est effectivement c'est l'un des premiers que j'ai écrit. Et euh, elle avait lu aussi Anna Christina, euh, enfin Macomé Christie, <laughs> euh, pas, ouais, pas Jump Suspense, parce que ce que j'aime bien, comme je disais, c'est le côté euh, de pouvoir en fait le partager, euh, de pouvoir proposer en fait à la, euh, aux autres, enfin pas aux autres, mais au public, entre guillemets, aux participants, de pouvoir répéter en chœur pas Jump Suspense, et puis ensuite que du coup, bah, à chaque fois, de pouvoir dire ouais, pas Jump Suspense, pas Léandaki, pas Jump Suspense, Réveillez l'ouvri, tout ça. Et ouais, ce côté Enfin, moi, j'aime bien ce poème. Et toi, pourquoi tu l'aimes bien enfin, Pourquoi tu as choisi celui-là euh, tu as peut-être te parler. non, il est, il est, il, est, il est bien, ouais. Je trouve que. Bon, après, oui, c'est la répétition qui fait que. Ouais, c'est. en fait, euh, la phrase, elle rentre plus, plus facilement aussi, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Oh, ouais, bah ouais, voilà. J'aimerais, j'aimerais quand même que tu nous chantes une comptine. que tu... Voilà, la fameuse comptine que tu aimes bien, j'aimerais que tu la chantes, s'il te plaît. Oh, mais je ne sais pas, je sais, faudrait que je la retrouve, alors je sais pas où elle est. <laughs> Attends, tu t as, t as, le set de table T'en as, en as plusieurs euh, Parce non, que as, vraiment, t'en as offert. Désolée, le set de table est dans la cuisine, euh, <laughs> quelque part, et je suis là-haut. as- le set de table, et as- aussi euh, le, le, le, le, blog, hein, voyagelocal.blogspot.com, sur lequel tu as les paroles de la chanson. Mais sinon, on va la chanter ensemble, d'accord On va chanter ensemble Ah oui, voilà, très bien. <laughs> Pas d'impression. Yeah. même. Un dialogue avec. Oh, encore une fois, encore une fois. Encore une fois. Euh, Pas bon pression. Paris, les soins, dialogues avec. Qu'on s'en a pris. Oh, oh là là, bravo. Merci beaucoup. Oh Bravo. Non, bravo, j'aime bien. J'aime bien. Non, mais je c'est la preuve que, et la confirmation que tu peux chanter cette chanson à ta fille, euh, du coup, tous les soirs, tous les matins. Non, t'as une jolie voix, hein T'as une jolie voix, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de paroles, hein. <laughs> bah, ouais. <laughs> c'est pas encore gagné, cette histoire. Bah, ça prouve que c'est accessible, tu vois, ça confirme que c'est accessible, on peut le faire, euh, voilà, quoi. Voilà, c'est une bonne chose. Ouais, tout à fait. Et pas beaucoup de paroles, on peut la répéter, et puis, non, ça, franchement, t'as bien chanté, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, bah en tout cas, je te remercie pour cette petite discussion. Euh, N'hésite pas à revenir sur voyageonlocal.blogspot.com. Les après-midi culturelles, t'as pas le choix, tu seras là, hein, euh, voilà. <laughs> C'est dit, hein, bon, je, préfère, je, préfère, te confirmer hein, que t'as pas le choix, tu seras là, voilà. <laughs> Et Avec plaisir. <laughs> oh et puis, euh, et puis ouais, voilà. Bah, donc à très bientôt sur, euh, bah, sur le blog et puis bah, les les, pendant les après-midi culturels. Je te remercie. Merci. Passe une bonne soirée. De même. Bisous. Bisous.